sommes euh, lundi 23 septembre 2024. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Ali Moukela alias Seno et à mes côtés, Rabi Mekano pour la présentation. À la technique, nous avons Abdelkader Chambiano et Mariam est à l'édition. Rabi, bonjour. Bonjour Seno, ça va Tu vas bien Alhamdulillah. Alors, c'est quoi le programme d'aujourd'hui Comme d'habitude, Rabi, ce matin, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un programme bien diversifié que de en information avec euh, le Flash et pendant toute la durée de l'émission, nous allons savourer de la bonne musique 100% nigérienne. Évidemment, nous aurons la rubrique justice de cette édition de la culture linguistique et pour le, pour le reportage en région, nous irons à Gaïa, région de Dosso pour parler de la traversée du fluvial. Nous recevons comme invité ce matin Isati Mamadou, alias Papusti. Il est maître de cérémonie, MC. Avec lui, nous parlerons de la place de ce métier au Niger. Sans trop tarder, nous accueillons Rukayatou Abdraman pour le flash d'information. Bonjour Rukayat. Bonjour Ruki. Bonjour Sénon, bonjour Abi, bonjour, à tout le monde. Et pour le flash d'aujourd'hui, environ 300 lauréats des huit régions du Niger ont reçu des distinctions lors de la 13e édition de la journée d'excellence et du mérite. La célébration a eu lieu ce week-end à Niamey sous le thème Le label de l'excellence comme un pilier de la souveraineté. Alors ces élèves ont été récompensés pour leurs résultats académiques cette année. Il s'agit des trois premiers de tous les examens du primaire jusqu'en deuxième année du collège. Ensuite, 16 équipements de Starlink ont été saisis lors d'une intervention des forces de défense et de sécurité de la région de Tawa à Konni. Il s'agit des dispositifs technologiques qui permettent de se connecter à Internet haut débit sans intermédiaire d'un fournisseur local grâce à des demi-satellites. Donc leur utilisation a déjà été largement documentée dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie où il servait au guidage de drones, à la transmission instantanée d'informations et à la surveillance aérienne avec l'envoi d'images haute définition et de données GPS précises. L'usage de Starlinks est strictement interdit au Niger faute d'autorisation. Enfin, la cinquième édition du concours Miss Niger 2025 est officiellement lancée à partir de cette semaine. L'information a été donnée samedi à Niamey par le comité d'organisation du concours Miss Niger Comini en collaboration avec euh, le ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. Il est placé cette année sous le thème "Femme architecte de la résilience, quelle contribution pour la sauvegarde de la patrie. Selon l'organisateur, ce choix souligne l'importance des femmes dans la préservation de la stabilité et de la construction d'une nation résiliente. Et c'est tout pour cette ce flash d'information. Merci bien, Ruki. Merci pour ces informations. Passe une excellente journée. Alors, chers auditeurs, comme annoncé tantôt, notre invité du jour est Issa Timogou Mahamadou, alias Papusti. Papusti, il est maître de cérémonie, un métier qui intéresse de plus en plus de jeunes. Vraiment tendance. Euh, depuis euh, quelques années déjà. Donc, on a décidé d'inviter un parmi eux pour savoir, euh, en savoir un peu plus sur cette opportunité que saisit le jeune d'être maître lors des cérémonies. Alors, Papus, bonjour. Bonjour, Abia. Très ravi de te recevoir cette émission. C'est un plaisir aussi. Mais c'est nous. Ouais. Alors, avant de donner la parole à Papus, euh, nous allons d'abord euh, aller en musique pour écouter la toute première euh, musique de notre sélection musicale de ce matin. Il s'agit euh, des filles de Tirozérine dénommées Albichiri qui nous chantent ici euh, ce titre Sarkin Abzin. fait résonner le nom de Chirozérine au-delà des frontières. Albicher chante la fierté, la liberté, la cohésion, l'amour, la fraternité, mais Albicher est aussi la voix des sans-voix via le titre qui plaide pour l'accès à l'eau pour les femmes des zones rurales. Tant d'autres difficultés que vivent les Nigériens ont été chantées par ce groupe. belle sonorité musicale, assez rythmée. Hein ah, le groupe Albus, il maîtrise bien l'art de mettre l'ambiance. Pas plus, on espère que tu as aimé notre sélection. Non, mais bien sûr, on peut ne pas aimer. <laughs> ça, c'est du Niger. Hein. Alors, on va commencer notre discussion avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que maître de cérémonie Comment tu t'es retrouvé euh, dans, dans cette activité euh, bon, voilà. Comme tout autre jeune, forcément, il y a quelque chose qui va t'inspirer. D'accord Moi, j'étais. Euh, j'ai été inspiré en tout cas par les maîtres des cérémonies de chez nous, hein, mm. d'accord, les mailles de Dondi, de Lorazak et ceux qui sont là parce que c'est les deux qui sont peut-être en tête jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'accord. Donc euh, c'est les personnes que je suivais, donc après, c'était, j'ai vu Dondi, d'accord, qui a bien voulu m'accueillir à Dunia TV. J'avais commencé un stage avec lui. Donc après le stage, un jour j'ai connu Léo Razak toujours, d'accord, à Dunia TV. Donc le Dunia TV, Dondi avait commencé des voyages, donc il n'était pas trop présent. Donc j'ai continué avec Léo Razak qui aussi a bien voulu m'accueillir. Je leur dis merci au passage, d'accord à tous les deux. Donc euh, après c'était le euh, comment est-ce qu'on appelle la Blue Open Scene. C'était une émission qui réunissait des jeunes musiciens et tout. À donc la Blue Zone, euh, à la Blue Zone, bien sûr. Donc euh, j'ai profité aussi de cette émission pour, pour, pour apprendre et tout. Donc voilà pour devenir le maître des cérémonies que je suis. C'était pas aussi compliqué que ça quand on a eu en tout cas la chance comme celle que j'ai eue d'avoir, euh, c'est pas des grands faits qui ont bien voulu m'accueillir, ok, me donner aussi ce qu'ils ont appris. Donc c'était pas aussi compliqué que ça. Mm. Mais je suis communicateur de formation, c'est bien normal. Donc voilà. Donc c'est des études que ça me dit pourquoi tu peux faire quelque chose. Et j'ai toujours aimé aussi le public, d'accord euh, J'ai fait le syndicat, d'accord Tout comme mon <laughs> frère ici. Donc, quand on est syndicaliste, on est toujours face à un public, des personnes qu'il faut impressionner, des personnes qu'il faut tchatcher, les amener à accepter ce que tu veux. <laughs> Donc voilà, c'était tout ça là. Donc tout ça là réuni, ça fait de moi peut-être euh, le MC que je suis. C'était pas trop compliqué. Vraiment, c'était trop. Peut-être l'environnement n'était pas favorable, il faut le dire. Nous sommes au Niger, c'est pas trop facile. Et c'était un métier qui n'était pas trop vu comme ça. Mais nous, on s'est dit, OK, on va aller. On est allé. Et c'est parti. Et c'est parti comme ça. Voilà. C'était pas facile, l'environnement. Mais les personnes qui ont aidé, ils étaient toujours là, d'accord? Des mains qui ont été toujours tendues. On a vraiment, on a été aidé. Et c'est de là. C'était pas en tout cas trop compliqué. L'environnement, oui, mais pas le cercle d'accord, que nous partageons avec toi, mon frère. Tu sais de quoi, il s'agit. Alors, très intéressant, Papy, ce que vous êtes en train de dire. Le métier de MC gagne en popularité ces dernières années au Niger. Qu'est-ce qui, selon vous, explique euh, cet engouement chez les jeunes moi, je pense que les jeunes ont commencé à comprendre. Mm. C'est quelque chose qu'avant les gens ne voyaient pas, comme peut-être nous, nous l'avons vu, en fait. Si vous regardez jusqu'à présent le terrain est vide, hein. mm. on n'a pas de maître de cérémonie, on n'a pas autant de maîtres de cérémonie. D'accord, tous les maîtres de cérémonie sont, sont connus parce qu'il y a un événement. Mm. Alors que s'il y avait autant de maîtres de cérémonie, ils seront là on sait tel, tel, tel, mais on n'en a pas beaucoup. Mm. Mais ces dernières années, peut-être avec euh, la culture de l'excellence qui est là, d'accord, des cérémonies qui récompensent euh, toutes les disciplines et tout, les jeunes ont compris que maître des cérémonies, c'est autre chose. Ce hein. n'est mm. C'est pas un truc facile. Mais nous sommes au Niger, c'est la réalité, d'accord, on est obligé de faire avec, mais sinon, c'est maintenant que les jeunes ont compris d'accord, et ils sont en train de s'amener. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont venus après moi, qui sont venus certainement après Seno mhm. aussi, donc qui sont en train de venir, qui ont certainement vu quelque chose. Et nous pensons ou bien nous espérons que eux, quand ils seront là, ils vont faire quelque chose ou bien révolutionner la chose elle-même, parce que jusque là, je pense que le terrain est encore vierge, on peut faire mieux. Donc les jeunes ont juste vu que ça peut aller à travers les différentes semaines, parce que vous savez, toute discipline, quand elle est culturelle, tant qu'il n'y a pas de, culture d'excellence, tant que les gens ne sont pas récompensés pour leurs efforts, euh, ça ne va pas, je pas, à faire appel à plus de jeunes pour qu'ils viennent aussi s'intéresser à ces domaines. Je pense que c'est ça. Pas plus. Alors là tout à l'heure tu as parlé des scènes, euh, quelques scènes culturelles, mais tu ne fais que ça. Qu'est-ce que tu fais comme euh, autre scène, maître de cérémonie, quel type de cérémonie et comment, à combien est voilà. Euh, toutes les scènes, toutes les scènes. Je pense que, euh, ok, que ça soit des, des, concerts, ok, des, des, conférences, ok, des ateliers de formation auxquels on a certainement besoin de, de, de mettre je suis dedans. Je suis dedans. En tout cas, Quand on dit maître des cérémonies, je pense que tu dois avoir cette capacité de, de t'adapter à n'importe quel genre de cérémonie, d'accord, à n'importe quel genre de cérémonie, et faire le taf. Est-ce que bah, tu as. parce tu... qu'on me paye, mhm. on va faire une prestation, après je la bière, c'est comme ça que ça <laughs> Donc ça dépend, en fait, il n'y a pas de, il y, a pas une fourchette de prix, ça dépend vraiment de de, des rapports que tu as avec celui qui... Ou bien les différentes activités. Oui. Ça dépend de l'activité et beaucoup plus aussi de ce que vous avez comme lien avec la personne qui vous appelle. Hein. Nous sommes en on ne va pas se, les, euh, se cacher les choses, il faut se dire les choses en goin, on se sait. D'accord Ça dépend de la personne. Mhm. Parfois, tu vas faire des scènes où tu sais même pas ce que tu seras payé. Mhm. D'accord c'est C'est c'est c'est un tel, tu viens, tu fais les taf, fait. Mais en vrai, en vrai, on peut discuter. Mm. Ça dépend de, l'activité, de l'événement, d'accord, des personnes qui vont aussi assister où il faut fortement que les MC soient MC. Euh, ça dépendra de ça. Et les prix, ça existe bien sûr. Ok, ça a un prix. Ok, mais ça a un prix. <laughs> comme Célo l'a dit, depuis euh, un moment déjà, ces dix dernières années, on en voit de plus en plus. Euh, mais quelles sont les différences que tu as observées dans la façon de faire des gens, dans qu'est-ce qu'on peut retrouver mais nous apprenons, chaque jour nous apprenons, d'accord Et on peut aussi s'inspirer des, des, des, autres maîtres de cérémonie ou d'une autre façon de faire qui vient peut-être de l'extérieur, de notre pays. Il y a plusieurs façons de faire. Donc en tant qu'apprenant euh, ou bien en tant que jeune qui s'inspire à être maître de cérémonie, certainement, euh, c'est ça. La différence c'est que moi, je peux vouloir être maître de cérémonie polyvalent, donc attaquer partout. Donc, je peux aller au-delà de ce que nous avons au Niger, regarder d'autres maîtres de cérémonie, aller même remonter à des années où on n'est pas encore né, mm. d'accord, pour voir comment les gens font, d'accord, s'inspirer des, s'adapter, prendre ce qu'ils font, euh, faire ça à ta manière et tout. Donc, c'est ça. Les gens ont compris. Je pense aussi que c'est le fait qu'il est, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont, à la portée de tout le monde. Chacun peut voir tout et ça va t'inspirer. Mm-hmm. Je pense que c'est ça. Super. Alors, euh, Papus, quels sont euh, les principaux défis auxquels vous faites face en tant que maître de cérémonie au Niger L'environnement. Ok. L'environnement. L'environnement n'est pas favorable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et pourquoi l'environnement n'est pas favorable euh, Bon, plusieurs facteurs. Hein. Mm. Je vais encore le dire. Nous sommes au Niger, mm. c'est pas facile. En fait, toutes les disciplines culturelles ne sont pas vues comme elles doivent être vues au Niger. Mm. Alors, les artistes, peut-être rappeurs ou ceux qui font de la musique, eux s'imposent eux-mêmes. C'est la musique qui impose l'artiste. Mm-hmm. D'accord? Mais le maître des cérémonies, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent. D'accord Donc l'environnement, il n'y a pas autant d'activités. Et les activités, même s'il y en a, les gens ne font pas forcément appel au maître de cérémonies. Mm. Chacun peut... Mm-hmm. Voilà, chacun peut vouloir le faire. Lui-même, c'est sa cérémonie, il pense pouvoir le faire, donc mm. il va le faire. Donc c'est un défi qui, qui, qui, en tout cas, qui freine beaucoup mm. euh, ce métier. Quand peut-être euh, tu mets des cérémonies pour faire un événement, il faut peut-être un mois ou deux mois, tellement il n'y a pas autant d'événements, ou même quand il y en a, les gens ne font pas forcément, je sais pas, ils ne croient toujours pas mm. à ce que ce métier soit désormais professionnel où les gens le font mm. professionnellement, mais c'est ça. Premier défi, je pense que c'est l'environnement qui n'est pas du tout favorable. D'accord Et vous voyez, il y a, il y a des formations qui se font. Euh, dans ce métier-là où on appelle des jeunes, d'accord, qui inspirent des maîtres de cérémonies, on leur donne ce qu'il faut comme formation pour qu'ils puissent aussi euh, apprendre et devenir des... Tout s'apprend, mm-hmm. tout s'apprend, donc il n'y a pas il n'y a pas. Les gens font la communication. Le plus souvent, c'est ceux qui ont fait ça, le journalisme, la communication. Rares sont ceux qui viennent d'autres domaines en fait. Ouais, pas plus. Alors là, on a vraiment un maître de cérémonie avec nous. Il n'est pas avare avec ces mots-là. On va faire une petite pause avant de continuer notre discussion. On va aller encore en musique. C'est quelque chose qui te parle en hein, plus. Voilà. Le maître de cérémonie, c'est <laughs> il est aussi musicien. Voilà. Donc avant de continuer, on va souffler en musique et c'est parti avec le titre Jikeng Aya de l'artiste Ali Jubo. Rawa 'yan birni da 'yan ƙauye rawa 'yan birni da 'yan ƙauye 'yan mata samari ku tashi mu taka rawar bodo wai shi kan ya ayya shi kan ya ayya suna shi kan ayya shi kan ayya Boɗo da amina shi kanya aya. Boɗo da amina shi kanya aya. Bodo ya gute amina tana kuka. Ai bari kuka amina ba yaƙi ne ba. Bari kuka amina bodo zai dawo. Bari kuka amina shi kanya aya. Boɗo na amina shi kanya aya. hudu ya wuce amina take kuka bari kuka amina hudu zai dawo bari kuka amina hudu ba komo uba na kiɗi diya na mishi goho uba na kiɗi diya na mishi goho ba goho ba ne yawa ce ta yi ba goho ba ne yawa ce ta yi ba goho ba ni iyawa ce ta yi ba goho ba ni iyawa ce sai kai haba Oui, cher auditeur, Ali Jibo est né le 9 mars 1949 à birni dans la région de Tawa, au Niger. Euh, il rejoint son premier groupe musical, l'Amical de Niamey, en 1972, quelques années après avoir terminé ses études secondaires. Deux ans plus tard, pendant les vacances de 1974, un groupe d'étudiants de l'école normale de Zender forme les ambassadeurs du Sahel. Ali Jubo était le chanteur-compositeur le plus doué du groupe. Les ambassadeurs se préparent en 1976 et Ali Jubo fonda l'orchestre Caravane. Cet artiste nous a quittés en 2007. Et oui, dans cette chanson, euh, Rabbi, il nous parle d'une fille qui a la nostalgie de son âme sœur qui est en déplacement il espère son retour dans un bref délai. C'était le titre tragique Aya de l'artiste Ali Jubo. Poursuivons avec nos échanges avec notre invité euh, Papusti. Alors, Papusti, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon maître de cérémonie c'est énorme, hein. c'est beaucoup de choses. D'accord D'abord, il faut, eh, il faut comprendre une chose. D'abord, toute communication, parce que le maître des cérémonies, c'est quelqu'un qui communique. D'accord Elle est faite d'abord à base de, ou bien euh, en fonction de ton public. D'accord Il faut d'abord savoir c'est quel genre de public. Maintenant, quand vous êtes en face de, de, de ce public-là, il faut avoir la capacité d'accord, de, de, captiver l'attention de ce public-là, de maintenir cette attention-là jusqu'à la fin de, de, votre cérémonie, parce que tu perds ton public, tu perds ta cérémonie. On, est d'accord. Donc, t'es plus le maître. Justement, t'es plus le maître. Quand t'es le maître, c'est ça en fait. Ah t'es plus le maître quand tu quand tu gères plus, te, comment est-ce qu'on appelle le public, le public et mm. tout. D'accord, il faut avoir euh, la capacité, d'accord, d'enchaîner des phrases les, les unes après les autres sans peut-être t'arrêter ou faire des cassures, des coupures, sans tétuber et tout. D'accord, et aussi aussi la qualité qu'il faut ou bien qu'on doit voir chez un maître de cérémonie, c'est celui-là qui sait s'adapter. Genre, vous êtes en pleine cérémonie, tout peut basculer à tout L'improvisation. L'improvisation, d'accord Parce que rares sont les cérémonies qui commencent et qui finissent comme vous le prévoyez. Avec le programme. Avec le programme. <laughs> Donc il faut avoir cette capacité. Surtout au Niger. Hein. Ça. ça. peut aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Il faut avoir la capacité de canaliser toujours, d'accord, ta cérémonie, ton conducteur, d'accord. Et il faut le faire de manière rapide. Il faut prendre des décisions rapidement, t'adapter à ton public parce qu'il y a des publics aussi. autre chose, d'accord. T'adapter, savoir vraiment comment enchaîner ces phrases-là et surtout, et surtout, et surtout savoir que ce que tu dis, ce qui t'écoutent là, te reçoivent et qui te comprennent. Parce que ça ne sert à rien de communiquer, même si c'est pendant mille ans, si ceux qui reçoivent ne comprennent pas réellement ce que vous dites, je pense que c'est zéro. Donc c'est la capacité à s'adapter à son public, à parler ce qu'ils comprennent, d'accord, et les amener à être d'accord. Le maître de cérémonie, en quelque sorte, sa qualité, c'est de savoir tchatcher tout le temps, en fait. Quand vous avez un public, dites-vous que je dois impressionner ce public, je dois amener ce public à être d'accord. Quels qu'en soient les moyens, c'est le terrain qui commande, il faut les créer. Il faut le <laughs> Donc, La qualité, c'est le terrain qui commande, pas prends, C'est ça, en fait. Papus, alors, quand on voit qu'il y a de moins en moins d'événements, notamment culturels, alors, comment, comment vous en sortez? il y a plus de quel type de cérémonie qui vous permet aujourd'hui de, de gagner votre pain dans ce métier En tout cas, pas, pas les concerts. Je dirais pas les concerts. <laughs> Excusez-moi, mais, mais je dirais pas les concerts. Non, même s'il y en a, je dirais pas, parce que le, le concert, comment ça se fait C'est avec les frères, hein, on se dit, on fait le taf ensemble et tout, mais c'est quand peut-être vous avez un contrat qui peut venir d'une autre structure, d'une autre organisation. D'ailleurs, les voilà, justement, mais quand c'est des concerts et ceux qui se font, je pense que c'est zéro. Quand ça vient d'ailleurs, c'est encore mieux, d'accord C'est des peut-être des organisations, je sais pas, comme Studio vous peut avoir, euh, je sais pas, besoin de d'un maître de cérémonie. Là, ça va. Discuter. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va noter de l'autre mhm. côté. <laughs> Oui, vas-y. voilà, justement. <laughs> Donc, c'est qu'on peut avoir besoin d'un maître de cérémonie, vous en avez, hein, le maître de cérémonie. Il y a qui est là assis. Donc, quand c'est de l'extérieur, c'est encore mieux. Ouais. On se retrouve pas quand c'est la maison. C'est clair, il faut se le dire. Hein. C'est comme ça. On mange pas les mots. Et, les mariages, euh, les mariages. Les, mariages. avant, oui. Maintenant, oui. Mm. Maintenant, ceux qui se marient comprennent qu'il faut aussi les. Parce que le maître de cérémonie, c'est un facilitateur en fait. C'est lui qui coordonne ta cérémonie. Il le faut. Je peux pas me lever, je viens, je dis je suis tel, je m'assois que l'autre. Non, il faut quelqu'un qui va coordonner, mm. qui va amener les gens à s'attendre déjà à c'est un tel que je veux écouter, c'est tel qui ce qui va se passer à l'instant après j'aurai ci, j'aurai ça. Donc le maître de cérémonie, c'est comme son nom, c'est le maître de cette cérémonie. Donc c'est c'est c'est énorme en fait, c'est pas pas plus. Alors quelles sont les, les opportunités actuelles pour les jeunes Nigériens qui souhaitent se lancer dans cette carrière Existe-t-il des, formations Vous, l'avez évoqué qu'il y a pratiquement pas de, de, formation, mais pour les réseaux sociaux, hein, par exemple, est-ce qu'il y a des formations qu'on donne aux jeunes pour s'adapter Parce que nous sommes plus, nous sommes actuellement euh, euh, dans une période où nous sommes à l'ère numérique. Bien est-ce que, est-ce que comment comment comment voyez-vous l'avenir euh, de ces métiers pour les jeunes qui voilà pour ceux qui veulent parce qu'il y a ce qu'on appelle l'auto-formation, mm. ceux qui veulent se former eux-mêmes peut-être avec des tutos. Moi, je le fais D'accord, ça m'arrive d'aller regarder, d'accord, des titres. Ça, c'est pour moto former Mais des formations, la formation, c'est beaucoup plus en art oratoire. Hein. Il y en a des milliers de formations qu'on dit en art oratoire, la prise de parole en public et tout. Mais en maître de cérémonie, il n'y en a pas. En tout cas, je vois pas. Mm-hmm. Tous les maîtres de cérémonie que j'ai eu à connaître se sont formés eux-mêmes auprès d'autres maîtres de cérémonie. Mm-hmm. D'accord, tout comme moi, tout comme Seno, et ainsi de suite, en fait. Mais une formation proprement faite pour les, les maîtres de cérémonie ou des jeunes, c'est pas évident, j'en vois pas. Les opportunités, il faut se les créer, il faut aller envers ceux qui ont déjà commencé, mhm. vouloir apprendre et ils vont certainement aider et travailler aussi. Mm. Alors, à ton avis, est-ce que le maître de cérémonie euh, peut jouer un rôle dans la promotion de la culture nigérienne Si oui, comment Qu'est-ce qu'il peut faire le maître, le maître, de cérémonie joue un rôle très très capital. C'est l'un des piliers, en tout cas, de, de, de la promotion culturelle. D'accord Tout artiste, il est artiste, il est forcément passé, d'accord, par des maîtres de cérémonie, parce que c'est les mêmes maîtres de cérémonie qui font tout ce qui est émission télé, émission. Qui valorisent l'artiste. Et qui valorisent l'artiste, ce que fait l'artiste, d'accord Donc le maître de cérémonie, il n'y a même pas à dire, hein, c'est un pilier de la promotion culturelle. C'est eux qui font les artistes. Et les artistes sont les ambassadeurs quelqu'un qui crée un ambassadeur culturel, lui, il est quoi Ouais. Hein? le président Voilà, bien sûr. Alors, plus, euh, nous sommes euh, à la fin de, de, de, cet échange. Alors, pour, avant de partir, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent euh, devenir MC au Niger, mais qui hésitent encore à se lancer Mon premier conseil, c'est d'arrêter d'hésiter d'abord. Mm. Parce que tant que vous hésitez, vous restez dans votre coin, vous hésitez, vous n'allez même jamais comprendre comment fonctionne le monde. Et quand vous ne comprenez pas un monde comment il fonctionne, comment vous pouvez devenir maître dans ce monde-là, c'est pas évident. Donc c'est d'abord c'est de se lancer c'est de se lancer et d'accepter les réalités que nous faisons face, nous sommes au Niger, et de travailler. Aller partout, partout. Où est-ce qu'on peut Il faut y aller. D'accord Même si on te dit, je veux juste prendre le micro quelques minutes, prends seulement il faut juste prendre et, de continuer à travailler, ne pas se lâcher et le reste ça va venir parce qu'il n'y a pas forcément des canaux qui sont là tracés comme tout à l'heure on l'a dit des canaux de formation, il n'y en a pas. Mm-hmm. Donc il faut aller justement voilà s'auto-former et aller envers ceux qui sont déjà là. Merci bien Papus, merci d'avoir répondu euh, à notre invitation, à nos questions. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. On te souhaite une très belle carrière, une très grande carrière de maître de cérémonie. Merci. Euh, voilà, Excellente, journée. Voilà, merci en tout cas on Et on se reprend juste après. Sans souci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, euh, à présent, c'est l'heure de la rubrique Justice. En effet, c'est non. Pour la rubrique justice de ce lundi, il est question du droit international humanitaire DIH. Le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Oui, Rabi, le droit international humanitaire DIH, appelé également droit de la guerre, protège les personnes qui ne participent pas ou plus euh, au combat. Euh, voilà, donc, euh, et Reste, euh, voilà, les, moyens et, méthodes de guerre. Pour en savoir plus sur le DIH, écoutons le juriste Alfred Emmanuel Goubagé. Il est le président du Raza Presse DIH HD. Resserrement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. C'est dans un entretien qu'il a accordé à notre confrère, Tarnan Foudé Ahmed. Monsieur Alfred, euh, aujourd'hui on va parler du droit international humanitaire, DIH, ou droit de guerre comme on l'appelle. Euh, comment peut-on définir euh, le DIH ou le droit international humanitaire Relativement à la définition du DIH, je peux vous dire que la définition peut varier d'une école à une autre. Si vous prenez par exemple les universitaires, ils estiment ou bien ils considèrent euh, la discipline du droit international humanitaire comme étant un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, visent à protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit armé. Ici, vous voyez que euh, il y a un certain nombre de, de, principes qui encadrent la conduite de la guerre. Il y a des règles qui donnent des orientations sur comment il faut faire la guerre. Donc, quand vous prenez euh, les forces de défense et de sécurité, ces forces-là préfèrent plutôt parler du droit de guerre. Vous voyez donc, la définition peut varier d'une école à une autre. Mais sinon, retenez tout simplement que le DIH, c'est tout simplement cet ensemble de règles qui a pour objectif de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit armé et aussi de limiter le choix des moyens et des méthodes de guerre. Voilà, merci Alfred, après cette euh, définition euh, très complète euh, du droit international humanitaire, la deuxième question, en cas de violation du droit international humanitaire, quelles sont les sanctions prévues Oui, une règle qui n'est pas accompagnée de sanctions est une règle. Donc le droit international humanitaire est une discipline coercissante, c'est-à-dire sa violation appelle des sanctions justement. Donc quand vous prenez euh, les conventions de Genève du 12 août 1949 et leur protocole additionnel de 1977, ainsi même que le protocole additionnel de 2005, ont prévu des mécanismes de sanctions en cas de violation euh, de, de leurs règles. Donc quand vous prenez par exemple ce qu'on appelle les crimes de guerre, les crimes de guerre existent et elles se commettent sur le théâtre des hostilités. Vous prenez par exemple la destruction des biens à caractère civil. Tout bien dont la destruction ne confère pas un avantage militaire ne doit pas être détruit, notamment les biens civils, pas les objectifs militaires. Vous prenez les lieux de culte les biens culturels, les écoles, les hôpitaux, les points d'eau. Ces biens ne doivent pas faire l'objet d'attaques en aucune circonstance parce que ce sont des biens civils qui n'ont pas de caractère militaire. Par conséquent, les parties au conflit doivent prendre toutes les mesures idoines pour préserver et protéger ces biens. Vous avez également le déplacement massif des populations qui peuvent être euh, commis dans le cadre de la conduite de la guerre. Le fait de s'en prendre à ces biens constitue un crime de guerre. Et en cas de commission de crime de guerre, il y a des juridictions qui sont compétentes pour connaître de ces violations. Monsieur Alfred, euh, parfois les viols et la violence sexuelle sont utilisés comme armes de guerre. À ce niveau, quelle est la position du droit international humanitaire Le droit international humanitaire est assez explicite et très clair. Et la question des viols, quel qu'en soit l'auteur, une fois que cela est commis, c'est-à-dire une fois que le viol en masse ou de manière isolée est commis sur des femmes, sur des filles, sur le théâtre des hostilités, cela constitue une violation du droit international humanitaire et par conséquent cela appelle à la répression. Peu importe la partie qui l'a commise, elle est susceptible de poursuite tant par la juridiction nationale que par la juridiction internationale, qui est la Cour pénale internationale. Parce qu'il faut le dire souvent, euh, les juridictions euh, la, nationales ont compétence également pour connaître de ces crimes. Tout comme la Cour pénale internationale, il y a le principe de la subsidiarité qui permet aux deux juridictions d'être compétentes en cas de commission de ce genre de crime. C'était la rubrique euh, justice sur euh, la question du droit international humanitaire avec Talan Foudé Ahmed. Passons à autre euh, tour en musique et ça sera avec Matambalan de El Hashtaya. Chers après cette euh, pause musicale, passons à l'écho des régions et aujourd'hui nous allons à Gaïa, région de Dosso, pour parler de la traversée fluviale. La crise entre le Bénin et le Niger a bouleversé la liberté de voyager depuis plusieurs mois sur le fleuve Niger. Kaina du Nigeria voisin sert de passage pour certains usagers quittant le Bénin pour le Niger et vice-versa. Emprunter ce corridor est devenu un passage obligé, un détour fastidieux et risqué, suivant le reportage de Balkissa Depuis des frontières, je suis en prenant ce chemin. Au lieu d'un voyage agréable, comme de nombreux autres, Fadimo a dû se résoudre à cette épreuve. La quarantaine révolue, descendu de la pirogue en moteur,

Au poste de Bouzekali du Bénin, il faut payer la police des frontières avant de prendre la route pour le poste de Lolo au Nigeria voisin. C'est là que nous embarquons sur la pirogue qui nous conduit à Dole-Kaina du Nigeria. Ensuite, nous continuons le voyage à bord d'une moto qui nous conduira à Kaya. Si la situation est pénible pour certains, elle profite en revanche à d'autres. Les piroguiers, qui assurent déjà des traversées occasionnelles, ont vu leurs activités exploser. El présente des Le transport se passe bien. Nous prenons des passagers depuis Lolo pour les amener à Dolekaina et ceux de Dole, nous les amenons à Lolo en tant que docteur franchement vous gagnez notre pain. Devenu un business juteux pour les transporteurs routiers, ils empruntent des chemins souvent en mauvais état et exigent des prix exorbitants. Sani est conducteur de taxi moto. Eh, Apeka, Malgourou, Bana jusqu'à Sia. Le prix varie de 7 000 jusqu'à 10 000 francs. Si ce sont deux passagers, parfois on peut faire jusqu'à trois voyages. Avec euh, la crue brusque du fleuve Niger, le risque zéro n'existe pas. Cette branche du fleuve a enregistré des cas de chavirement dans les années antérieures. Le chef des pêcheurs invite les usagers à plus de prudence en attendant la résolution du problème entre les deux pays. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, Stella, le reportage à région avec Balkissa Idi depuis Gaïa. À présent, place au sport avec euh, notre chroniqueur sportif Gourouza qui est déjà avec nous dans ce studio. Ah, ben bonjour, oui, euh, Gourouza. bonjour, hein. bonjour, Rabi. Alors Gourouza, la Fédération nigérienne de football Funifoot a tenu ce samedi à Agadez son assemblée générale ordinaire. Oui, effectivement, la famille du foot nigérien se sont retrouvés dans la capitale de l'Aïr pour une assemblée générale. C'est une rencontre pour faire le bilan du foot nigérien et tous les acteurs étaient au rang de vous. Suivant Sileman Mohamed, membre du comité exécutif euh, pour les conclusions de cette rencontre. Il est au micro de Salamatou Kadri. L'Assemblée générale a délibéré de façon absolument euh, souveraine et régulière parce que Lucie est commis pour la supervision des travaux a constaté que un seul délégué était absent dans cette assemblée générale sont ce qui permet évidemment d'être euh, parfaitement en phase avec le quorum de l'assemblée générale. Donc les 125 délégués ont statué sur plusieurs points intéressant l'avis de la Fédération nigérienne de football. Alors plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Il y a eu d'abord la validation du rapport d'activité 2023-2024 et également euh, celle euh, des états financiers de l'exercice 2023-2024. Après, il y a eu également la, la validation du, du, budget prévisionnel 2025 et des activités également euh, prévues. Des communications ont été présentées à l'ensemble des délégués. Il y a par exemple certaines informations importantes par rapport au projet Forward, la construction de nouveaux sièges. Il y a également des informations donc sur la prochaine euh, Super League et autres compétitions de la Fédération nigérienne de football. Voilà, c'était là euh, Siliman euh, Mohamed, membre du comité exécutif euh, de la Foot. Alors, Gourouza, toujours en foot, fin ce week-end du championnat des centres de formation et académie de foot U15 et U22. Oui, c'est nous. C'est une initiative de l'académie de l'ASFAN avec objectif la promotion des jeunes talents dans le foot. Plusieurs équipes des centres de formation de la capitale et des clubs ont pris part à ce tournoi. Dans la catégorie I-15, c'est l'équipe de l'AS qui a remporté la finale devant Renaissance de Bukuchi. aux épreuves de tir au but, 5 tirs à 4 euh, pour le compte des moins de 23 ans, c'est-à-dire les U23, c'est Assak Niger qui s'est imposé par un but à 0 devant Wardak. Et le MENA, l'équipe nationale du Niger, se prépare activement pour la troisième journée des éliminatoires de la phase de groupe des qualifications de la Cannes 2025. Voilà, Rabi. Euh, oui, mais avant, faisons un retour en arrière. Pour rappeler la défaite euh, du 11 national, euh, un but à zéro devant le Soudan lors de la première journée. Heureusement, les poulains de Badouzaki se sont ressaisis lors de la deuxième journée face au Ghana avec un match nul, un but partout. La troisième journée des éliminatoires pour le compte de la, pour le compte du groupe F composé du Niger, Angola, Ghana, Soudan est programmé le 12 octobre 2024. L'Angola, leader du groupe F, recevra le Niger, tandis que le Ghana accueillera le Soudan. Euh, pour le classement, il faut le rappeler, la deuxième journée, euh, l'Angola 6 points, suivi du Soudan 3 points, Ghana, Niger 1 point. Compte tenu de l'enjeu, le staff technique du MENA s'active pour affronter la troisième journée devant une équipe angolaise redoutable, c'est nous, Rabi. C'est une équipe redoutable. Mais ah. de toutes les façons, l'équipe nigérienne, impossible n'est pas Nigérien. Pour le sport. <laughs> <laughs> Merci infiniment, <laughs> Gouza, pour euh, toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, euh, on va poursuivre avec euh, cette fois-ci la rubrique portrait. Et aujourd'hui, dans la rubrique portrait, nous allons à la rencontre de Mariam, une dame qui exerce le métier de gardienne de femmes accouchées après l'accouchement. <laughs> Voilà. de la tradition. Avant, lorsqu'une femme accouche, c'est une vieille qui s'occupe du bébé et de la maman pendant 40 jours. Communément appelée Mehokombiki, Mariama est une euh, femme qui exerce ce métier depuis 20 ans. Comment, comment était ce métier avant? Mariama nous explique. An haife ta ne uku ga watan Januwari a shekara ta dubu da tara saba'in biyu a nan cikin garin birnin Kwanni. Uwar gida Maryama ta fito ne daga dangi musulmi bugu da ƙari maɗora inda ta gaji sana'ar ɗori. An mata aure tun tana shekaru goma sha hudu a nan cikin garin birnin Kwanni mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya guda bakwai maza biyar mata biyu. Uwar gida Maryama ta haife da shekaru ashirin tana gudanar da aikin hukun biki aiki a nan cikin unguwar sabon gari uwar gida maryama ta samu ci gaba da samun yabo ga maza da matan unguwar sabon gari inda har suke kiranta da uwar shakala ta yi ma studio kalangu ƙarin bayani yanda farko ake aikin hukun bikin misali dai mun kai zuwa shekara 20 zuwa abin da ya yi sama to masu bikin kan yiwuwa wani tun shiya da ciki in ya mai sheka ka zaman uwa shana iya in naƙuda ta kama shi shi ce a kiran yoka ka tafi tare da shi in ya aihu sai a gyara mai jiki a gyara maɗa jiki sai ka zamna nan tare da shi tsawon sati guda inda kwana arba'in za a yi ai kwana arba'in in kuma satin na guda za shi sai in a da mai aiki sai ka tahowa ka gidan ka shi ko sai shi ma aiki ne shi ci gaba da yi mai ɗan ayyukan da shi ka yi kawo waɗanda in sun taho ga gari ba su da kowa tare da su sun ɗauke ka matsayin ma'aiki kai ka taya tare da su ka zamna tare da su sai an yi zaman kwanan na arba'in ka gyara su ka gyara su kai musu wanka ita kuma ka aza mata ruwan zahi ka kashe mata kunu kai mata komi da komi dai abin da take cikin gidan sai an yi tsawon kwanan na arba'in to alhamdulillah yanayin daga zuciya na akwai unhwani saboda ka san harkar yanayin zuciya na wani shana iya maka harka ta hikima shi baka turame kuma shi baka kuɗi. Wani magidaci makwabcinta mai suna Malam Laminu ya yaba da aikin da Maryama ke yi ta duba da tun tasowarsu sun tarar da ita akan wannan aikin nata na wakon biki duk macen da ta haifu a wannan unguwar ita ce ke kula da ita har sai ta ƙare. tun muna da ƙanana muke ganin ayyuka irin waɗanda take yi kuma ba a taɓa samun saɓani ba kan shi mata sun ɗauki tamkar uwa gare su duk anguwa ga tamu duk matan da ta aihu ce ke tsaro kula da bikinta sai ta ƙare abin da take ruwan zahinta dai da kayayyakin gare da ake haɗawa na mata dai duk gaba ɗaya ita ke kula da wannan abin ɗin sai lokacin da Allah sa ta kare. mace ce jajirtacciya wadda ta san aikin da take yi eh, muna jinjina ma Maryama bisa ga ƙoƙarin da take yi wajen wajen kulawa da mata. Maryama ta ƙara yi ma studio Kalango ƙarin bayani da cewa ba wai abin da ake bata bane ke burge ta akan wannan aikin nata na hukun biki a'a tana yin shi ne tsakaninta da Allah ta duba da ɗa na kowa ne da kuma yadda matan unguwar suka ɗauke ta matsayin uwa gare su. Duk kuma dai da zan dai kana yi don Allah baka damuwa duk abin da an ka baka sai ka gode ma Allah tun da adani ɗadin na kowa na. Shi abin da ajin daɗin gudana bisa Ga haka nan mutum ya dauke ka matsayin ma'aiki kenan kaga baka bambanci da yan danka na baka kwatanta ka ce sai ka yi janga da shi to yanzu kan yanayin rayuwa mutane ba mutum duk yanzu ka yarda da wannan ba wani ba mutum duk ka kiran ka ba ka tai ka kula da abin shi ko da shakka aihuwa sannan ya bi wani dan uwa na shi na kusa gare shi ya tako da wani gari na a taho da shi shi zamna nan tare da kaya shi ci gaba da ya maka wannan lalura wani in ya dangana ga Allah shi na yarda da kai sa ka wannan aiki amma yanayin rayuwar duniya yanzu da da mutane sun ka zan ba yarda aka da su ba wani ganin shi ka yi kuma shi dauko na shi shi sa ga wata lalura da shi zaka gari shi dauki wani shi sa wanda bai san da shi ba a ah, yara gana yanzu na wanga zamani ba su yarda dan sai mai hankuri kayan wannan lalura mm. na yanzu babu su ba su yi uwar gida maryama abin alfahari ce da tutiya kana abin misali ce ga matan unguwar sabon gari da matan magarin birnin kwanni gabaki daya saboda ta samu farin jini ga maza da mata akan wannan Portrait de Mariama, gardienne de femme après l'accouchement, signé Haruna Ibrahim, notre correspondant depuis Kony. C'est l'heure du loti et de le loti d'aujourd'hui va parler de l'infertilité, c'est nous. Oui, Rabi, certaines femmes, après plusieurs années de mariage sans enfants, euh, sont stigmatisées par la société ou par leur belle famille. Et selon les spécialistes en charge de cette question, il existe deux types d'infertilité, l'infertilité primaire et celle secondaire. Plus de précisions dans le loti aujourd'hui avec Rafika Ataher et Maria Diallo. Affairage, affairage, affairage, affairage. Il y a ton seau d'eau là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Hmm. Je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jim, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait six ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire Comment vivre avec ce fardeau Hé, hé, hé, hé, calme-toi. Es-tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi Tiens Gynécologue Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Hmm, voilà le problème. Sans examen, tu peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire, c'est mon cas Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue Non, ça coûte cher. Non, non, non, non, non, non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord <laughs> Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois <laughs> Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi Mais je suis foutue Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seul. Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme le sport intensif et surtout de nos jours l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout cela. Hein, quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle. C'était le loti de l'équipe femme du studio Kalangu. À présent, chers auditeurs, place à la culture linguistique et ça sera avec Samira Omaru qui nous parle du mot du jour. Voilà. Chers auditeurs et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to your show culture linguistique. International Day of Sign Language is celebrated every 23 septembre. La journée internationale des langues de signes est célébrée chaque 23 septembre. Vous l'avez deviné, le mot du jour est langue. La langue est un système de communication conventionnel et particulier. Langue en anglais veut dire language. Language is the principal method of human communication. Let's take an example. It's always good to talk to someone in his own language. That means c'est bien de parler à quelqu'un dans sa propre langue. Do you have to learn a foreign language at school? Qui veut dire faut-il apprendre une langue étrangère à l'école? I have never heard such language. That means je n'ai jamais entendu une telle langue. La journée internationale des langues de signes est une occasion pour soutenir et protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toute personne sourde et malentendante ainsi que l'ensemble des personnes qui utilisent la langue des signes. International Sign Language Day is an opportunity to support and protect the linguistic identity and cultural diversity of all deaf and hard of hearing people, as well as people who use sign language. C'est également l'occasion de faire passer l'idée que les personnes sourdes et malentendantes ne doivent pas être nécessairement vues uniquement comme des personnes handicapées et qu'elles peuvent aussi revendiquer leur appartenance à une minorité culturelle et linguistique. It's also an opportunity to convert the idea that deaf and hard of hearing people do not necessarily have to be seen only as disabled people and that they can also claim their belonging to a cultural and linguistic minority. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira pour euh, cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez euh, d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussant, en zarman ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et oui, c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Ni ina fatan muku alheri yan studio kalangu bisa shirye-shiryen wannan da kuke yi gaskiya muna jin daɗin shi bisa shirye-shiryen mata ko da yaushe muna sauraron ku muna jin daɗin shi yadda ya kamata kuma muna gaida duka illahirin yan tahanta bisa abin studio kalangu kan mata kan maza da farin harko ina gaida usaina mamman kanda a tahanta ina gaida mumu a zangon kaftan da hajiya daiko da ingalan da amina ta wandal kuma a nan cikin karciye na gari wanda ba zangon kaftan ba ina gaida asma'u da zainabin umar da duk wanda da ya kamata su mariya abdu duk ina gaida su yabi ina gaida su duk bisa harkar studio kalangu muna tsaye bisa kashi ko da yaushe mu masauraren su ne da sun fara har su kare muna sauraren su assalamu alaikum je m'appelle zakariya mamman je suis un habitant de la ville de filenge et de temps à autre j'écoute euh, kalangu J'écoute les émissions, surtout les débats que j'entends sur la radio, qui est intéressant. Sinon, il y a des informations aussi dans toutes les langues qui sont vraiment intéressantes. Tu as les informations un peu partout à l'intérieur du pays. Je profite de cette occasion pour vous transmettre mes salutations à vous, à tous les auditeurs de la radio Kalangu via Miriam Talaka. je remercie aussi le personnel de la radio Milan Talaka. Jamila Isufu Kango Shato. Studio Kalangu sigira irgogi hangan za gurugu kalam koi gaban cine kulura mon irgoga hangan. Wala irgo ruwa fubobu. Nama irgoga ma labari yan ago girbon ai feri ma barbatai wana wana dori dorai bon. Zamano kara irgo dori dorai din kayan ima ame igi fakarai te studio Kalangu irgo gudwa bon bon Zama irgo doli dai gono irsai hala igihin ba safariya kina kina a wiza mu igon da safariya sintina dai ai goga barki su kan gono ya mai haro banda in kanta ai goga mai gari kwaro ta gifo ai goga salamu kan goga ya ai goga fo ai goga ni ha ai ga su mai la chuso sise kan go fa wallahi mi karano igoga te da ma igoga labar ta yanka tare kayan sinda da kullu siri siriya e fi wanki goga katere ti lange me ame bon igoga sambu ama kiya zarma ki nano hausa ki nano fulan ki nano gurman ki ki nano igogi me ame sambu balla ki na gon langa kul gono don ku wo dinga borai fahamandi iga borai ka ko bara hankan go te labora gadirga windi ame ame din wani ki ni wani nga wani ki ni wani don ku ni ba ni man ba ni ga ma hankan go ga te labora lakkal kaneno lakkal tuneno a kunni gama irwo irga ŋarede irkoy mo konda kalangunda jena Aussi, les doigts magiques sur le le Pablo le Hitler le milliardaire, sur Kalangu d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Ali Munkela Ouseni et moi-même Rabia Mekano. Pour ma part, on se retrouve euh, à 17h pour la grande édition du soir. Et oui, voilà, chers auditeurs, à la technique, c'était Abdelkader Chambiano et l'édition a été assurée par Mariam Adé. Excellente journée à vous. Ciao, ciao.